Bonjour auditeurs et auditrices euh, du studio Kalangou que vous écoutez à travers nos 52 radios partenaires. Nous vous disons bienvenue dans ce dernier rendez-vous de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Ali Moukela Ouseni alias Seno et à mes côtés Sami Adé hein, pour la présentation. La technique d'aujourd'hui est assurée par Mustafa Ayouba et à l'édition nous avons Rahilatou Soumana. Bonjour Samira. C'est plutôt Mariam. Mariam, voilà. <laughs> Mariam, en forme ce matin Tranquille, c'est nous et toi Ça va, Alhamdulillah, super. Alors, qu'avons-nous au menu aujourd'hui Eh bien, comme d'habitude, nous, nous allons accompagner nos auditeurs pendant 1h60 minutes, pendant lesquelles nous aurons le flash d'information pour commencer la journée. Et comme c'est vendredi, il y aura la revue de presse avec Michel Dedi. Ensuite suivra le conseil sur le ramadan avec le prédicateur Oustage Mustafa Haladou. Évidemment, il y a le loti avec euh, le desk femme du studio Kalangu. Côté sport, notre chroniqueur du jour, Guruza Hassoumi, sera dans la place pour nous parler sport. Et ce n'est pas tout, il y a également la rubrique rose et l'astuce culinaire. Pour le coup de nos régions, aujourd'hui, c'est nous, nous irons à Maradi, plus précisément dans la commune de Giratawa, pour évoquer la question de l'automatisation des femmes à travers le commerce dans cette localité. Notre invitée du jour est mademoiselle Boubacar Souleymane Rabi. Elle est étudiante au département de géographie à l'université Abdoumouni de Niamey. Elle est aussi déléguée générale de la commission des affaires féminines de l'Union des scolaires nigériens ISN. Avec elle, nous parlerons de leadership féminin. Chers auditeurs, sans tarder, hein, voici pour vous le flash d'information avec euh, Nefissa Adamou Sirfo. Bonjour Nefissa. Bonjour Seno, bonjour Mariam. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Dans le Conseil des ministres qui s'est tenu hier, le gouvernement nigérien a signé un projet de décret pour l'adoption de la politique nationale de la jeunesse. Il ressort donc des conclusions du Conseil des ministres que la présente politique nationale de la jeunesse vise le renforcement de la participation politique et de l'engagement civique et citoyen des jeunes et la valorisation du capital humain des jeunes dans les sphères de développement économique du Niger. Elle a également pour objectif l'amélioration de la protection sociale et le renforcement de l'encadrement institutionnel des jeunes. Toujours au, cours des conseils du ministre d'hier, le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, a annoncé la construction de trois centrales solaires dans la région de Dosso et de Tawa. Le projet permettra à terme de fournir de l'électricité à environ 17 500 ménages et touchera plus de 120 000 personnes et créera 2000 activités génératrices de revenus à travers les dolos. Nous terminons avec cette information sécuritaire avec l'explosion d'un engin explosif à improviser au passage d'un véhicule de la garde nationale du Niger. C'était hier à mercredi aux environs de 15h30 près de Djalori, un village de la commune de Gueskirou dans la région de Difa. Selon le journal Actu Niger, le bilan est d'au moins 3 soldats tués et 4 blessés. C'est la fin de ce flash. Merci Nefissa pour euh, ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous sommes avec euh, mademoiselle Boubacar Souleyman Rabi, étudiante et aussi euh, jeune fille leader, car elle est la déléguée hein, de la commission des affaires féminines au sein de la structure euh, estudiantine des étudiants à l'université de Niamey. Bonjour Rabi. Bonjour nous. Bonjour Rabi. Bonjour Mariam. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui avec vous, nous allons parler du leadership féminin, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, écoutons d'abord le conseil du prédicateur Oustaz Haledou qui nous parle de la nuit du destin ou le Lot al-Qadr. Selon les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la nuit de l'Elet al-Qadr, c'est la meilleure nuit de l'année. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit la nuit de l'élève Kadari, elle dépasse mille mois. C'est une nuit pleine de bénédictions, mais pour l'obtenir, il faudrait que les fidèles s'attellent à animer cette nuit à travers de multiples activités. Comme d'ailleurs par rapport à toute bonne œuvre à accomplir, il faut purifier son intention. Il est de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand la troisième étape de Ramadan arrive, de se réveiller et de réveiller toute sa famille, y compris les enfants, pour animer cette nuit. Quand on réussit cette nuit, on aura l'équivalent de plus de 80 années d'adoration. Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien euh, les conseils de notre euh, oustaz Haladou concernant la nuit du destin ou Laylatun Kadari. Revenons avec euh, notre invité hein, de ce matin qui est déjà là avec nous. Il s'agit bien de mademoiselle euh, Rabi elle est déléguée de la commission des affaires féminines de l'USN. Alors, ça va Ça va bien, alhamdulillah. Tu vas bien <laughs> Je vais très bien, merci. Super. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que le leadership féminin pour vous Merci pour la question. Pour moi, le leadership féminin, c'est un engagement euh, d'une jeune fille ou des jeunes filles qui se fixent un objectif commun pour, afin d'atteindre mhm. et améliorer les conditions de vie des jeunes filles et des femmes en général. D'accord. Alors au Niger, euh, comment se porte-t-il Quelle est la place qu'il occupe euh, bon, vis-à-vis de toutes ces dernières années à aujourd'hui, nous dirons que le leadership féminin a connu un changement radical parce que c'est en train de prendre une ampleur. Les jeunes filles sont actives, euh, elles sont porteuses des projets et elles sont activistes aussi et elles sont aussi de la politique. Parce que le leadership euh, n'est pas uniquement bénévole ou activiste, il est aussi politique. D'accord. Alors, en prenant l'exemple de l'université Mouni, Mouni euh, disons, quelle place occupent les étudiantes au sein du bureau de l'USN euh, La place de la femme dans le système syndical, nous disons que ça a connu un changement aussi, mhm. bien que ces changements jusque-là n'est toujours pas satisfaisant. Ah, parce que au sein du comité exécutif, que ce soit dans les universités, à l'USN en général, jusque-là, il n'y a pas une camarade fille qui, occupe un poste de responsabilité ah, au sein du, comité exécutif ou du comité directeur. C'est toujours ah, au niveau des commissions de parlement ou des sous-commissions. Donc, il faut que ça, ça change pour que ça aille de l'avant. Et qu'est-ce qui explique cela Est-ce que les filles ne s'y intéressent pas ou c'est quoi le problème ah, Le problème se situe à plusieurs niveaux. Euh, tout d'abord, il faut se que c'est au sein des, filles parce que euh, le malheur des autres filles, c'est toujours les autres filles, bien évidemment. Je m'explique euh, parce que si aujourd'hui, moi je suis jeune fille leader de surcroît syndicaliste et que je, je décide d'être candidate à un poste. Euh, maintenant, vous allez voir, c'est même pas les camarades garçons qui vont combattre ma candidature, c'est mes pères. C'est mes pères qui vont me combattre euh, parce qu'il y a une certaine jalousie qui règne entre les filles. Vous allez voir, c'est quelque chose dont la personne n'a pas eu le courage de faire, mais que moi j'ai eu ce courage de le faire au lieu qu'on mette main dans la main euh, pour qu'on puisse s'unir et avoir un changement. Malheureusement, euh, euh, euh, d'autres décident de combattre. C'est ces filles qui décident de, de prôner le combat général. Alors, Rabi, est-ce que la situation des femmes à l'IAM reflète celle du pays Oui et non. oui, dans un premier temps, parce que on fait de notre mieux pour qu'il y ait changement et pour qu'on puisse prôner le leadership au sens propre du terme, même en dehors du pays, euh, il y a des camarades qui ont tendance à représenter le pays et c'est une fierté pour nous. Euh, j'ai dit non parce que tout simplement, on s'est dit leader, mais ce n'est pas quelque chose qu'on est avec, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps. Euh, on finit d'ailleurs jamais d'apprendre. C'est comme une formation. Donc, il faut se ressourcer, avoir une culture générale la patience, le sens d'un responsable et tout. Donc tous ces paramètres-là, il y a des camarades de filles qui briguent ça euh, euh, comme si c'est un saut. Elles se réveillent du jour au lendemain, elles se disent leader alors qu'elles n'ont aucun sens de leadership. Alors selon vous, comment la femme leader est perçue dans la société nigérienne Bon, <laughs> euh, en toute sincérité, on est très mal perçu de la société, la majorité pratiquement. Euh, parce que pour eux, d'ailleurs, il y a ceux qui, qui font un amalgame entre être jeune fille leader et être féministe. Dès que tu t'es dit fille leader, automatiquement on te met de l'eau de, des féministes. Et même le féminisme, c'est quelque chose que les gens critiquent sans pour autant connaître le fond. Moi, je me dis que toute lutte qui, qui, qui, qui fait que les, les filles et les femmes puissent s'épanouir, défendre leurs droits, euh, lutter contre les violences sexistes, sexuelles, conjugales et tout. Euh, que ce soit du féminisme, dans ce cas, on est toutes féministes. L'essentiel, c'est que les femmes puissent s'épanouir et puissent euh, prendre leurs propres décisions sans pour autant avoir un regard sur le patriarcat. Alors, euh, dites-nous, est-ce que aujourd'hui, avec votre structure, la commission des affaires euh, féminines, est-ce que cette commission arrive à changer euh, quelque chose dans la vie des, camarades filles étudiantes Oui, bien évidemment. on fait des, des, activités sans pour autant, genre, on les publie pas parce qu'il y a des situations, on porte aide à des camarades qui ont subi des violences, des viols, des harcèlements euh, moi personnellement, euh, on fait des, des, enquêtes au niveau des établissements scolaires pour recenser, pour voir le taux des harcèlements sexistes et sexuels jusqu'où les camarades filles ne sont pas à l'aise à l'école. L'école est censée être un arbre de paix pour toutes, mais malheureusement, beaucoup ont tendance à être dérangées quand elles sont à l'école vis-à-vis des harcèlements. Donc, on porte notre aide à ces camarades-là, on porte plainte et on arrive à avoir des solutions par la grâce de Dieu. Merci euh, Rabbi, pour, euh, n'est-ce pas, avoir euh, répondu à toutes ces questions. Avant de poursuivre nos échanges, nous vous proposons de suivre la revue de presse avec Michel Dedi qui est déjà avec nous dans ce studio. Bonjour Michel. Bonjour Magam, Bonjour Seno. Michel sur les plans sécurité à à trois bandits armés mis hors d'état de nuire à titre le quotidien Mouria dans sa parution de ce vendredi 14 avril 2023. Oui, Mariam, le journal a débuté son article en écrivant des temps durs pour les bandits armés d'Agadez. Les trois bandits armés arrêtés mercredi ont été surpris en flagrant délit sur deux véhicules de voyageurs par une patrouille de la garde nationale du Niger. Le journal rappelle que dimanche dernier, une escorte militaire de transport d'or ayant quitté le site orifère de Chibalkaten à destination d'Arlit est tombée dans une embuscade tendue par des individus armés et a occasionné la mort de cinq soldats et cinq autres blessés. Avec euh, ce élan, la détermination des forces de sécurité et la franche collaboration de la population la région d'Agadez va vite retrouver sa quiétude d'antan, mise à mal par des individus mal intentionnés, conclut Mouria. Pour sa part, l'enquêteur estime que, quelle que soit leur nationalité, ces coupeurs de route doivent être combattus sans faiblesse, au grand mot, les grands remèdes. Lancement national le samedi 8 avril à Ngonga, euh, dans le département de Boboy, région de Dosso, de l'opération de vente de céréales à prix modéré au titre de l'année 2023. Titre le journal gouvernemental Le Sahel du 11 avril 2023. Oui, c'est nous pour la présente opération qui s'étalera jusqu'au mois de septembre. Environ 200 000 ménages, soit 1,4 million 000 personnes par mois seront touchées, précise le Sahel, qui souligne que pour atteindre cette cible de l'année 2023, le gouvernement a décidé de reconstituer la réserve alimentaire stratégique à hauteur de 80 000 tonnes. Le prix de vente annoncé par le ministre du Commerce Al-Kachalada est de 13 000 francs CFA le sac de céréales de 100 kg, soit un prix au kilogramme de 130 francs CFA et à l'unité de mesure locale TIA à 325 francs CFA, précise le journal de la religion pour terminer cette euh, revue de la presse. Nos confrères de la presse écrite ont également parlé de la célébration de la fête des Pâques ou fête de la résurrection de Jésus-Christ. match dernier, la communauté nigérienne du Niger a fait la résurrection du Christ ou fête des Pâques. Titre de ces fêtes, l'agence nigérienne de presse ANP. En effet, cette euh, commémoration de la résurrection de Jésus-Christ est un événement central de la foi chrétienne que les chrétiens considèrent comme l'accomplissement de la prophétie biblique d'un Messie ressuscité d'entre les morts, offrant à ses disciples la vie éternelle, écrit l'ANP, qui souligne que cette année, la fête de Pâques coïncide au Niger avec le Ramadan, un mois d'abstinence et d'intenses activités religieuses et de bienfaisance pour les musulmans. Et c'est tout pour cette revue de la presse. C'était là la revue de la presse présentée par Michel. À présent, retour au studio avec notre invité Brumaziel Boubacar Souleyman. Rabi. Je rappelle qu'elle est la déléguée de la Commission des affaires féminines au sein de l'ISN Université de Niamey. Rabi, dites-nous, est-ce qu'il y a des critiques à votre égard ah, Des critiques, euh, oh, c'est le quotidien en fait. Donc, euh, des fois même quand on n'est pas critiqué, ça, ça fait un peu bizarre parce qu'on a l'habitude d'être critiqué tout le temps. Des fois même quand on respire, rien que le simple fait de regarder quelqu'un, il te critique. Donc, euh, je me dis que la critique, c'est le quotidien des ludeurs. Quand tu es ludeur, tu dois t'attendre à toutes ces, attaques, ces critiques. Des personnes qui ne te connaissent pas vont se permettre de porter un jugement sur ta personne, de te critiquer jusqu'à pouvoir te mettre à mal dans ta peau. Euh, mais c'est quelque chose quand tu apprends à vivre avec et que tu arrives à te focaliser sur tes objectifs, hmm. ça ne fait que t'en renforcer et ça ne va pas t'affaiblir. Alors dites-nous, comment faites-vous pour euh, surmonter ces préjugés à votre égard en tant que euh, fille leader Bon, <laughs> tout d'abord, je m'en remets à Dieu parce qu'il y a des critiques. Franchement, ce n'est pas facile. Quand on te le fait, euh, tu te sens mal dans ta peau. Hmm. Eux que des fois, tu as envie de te confier juste pour te sentir soulagé. Soit tu pleures, soit tu lis, le Coran, soit tu pries, et aussi d'avoir des, personnes aimables et attentionnées autour de toi. Euh, c'est être leader quand tu le fais et que tu as le soutien de ta famille, de tes amis. C'est quelque chose qui est tellement facile pour toi parce que il suffit que quelqu'un commence à te critiquer, automatiquement, les gens vont sortir pour prendre ta défense et ça apporte un soulagement inestimable, même si les gens l'ignorent. D'accord. Alors, selon vous, euh, existe-t-il un nombre élevé hein, de vos camarades filles euh, qui aspirent à être des jeunes filles leaders Oui, beaucoup. Parce que de nos jours, euh, toutes les filles veulent être leaders. Être leader, c'est déjà se responsabiliser parce que c'est il faut être responsable au, propre, au sens propre du terme pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, il y a eu du changement, Dieu merci. Beaucoup de camarades filles s'inspirent le leadership féminin. Euh, elles suivent des formations. Dès qu'elles entendent une formation sur le leadership féminin, elles sautent sur l'occasion. Et elles suivent ça attentivement pour pouvoir aussi apporter du changement à leur sein. Donc ça, c'est un plus pour nous. Euh, ça fait beaucoup parce que rien que le 8 mars passé, euh, nous, on a eu à, former 60 jeunes filles au sein de l'université et à l'USN en général sur le leadership féminin. Ok, votre structure, hein, c'est votre structure qui a formé ces 60 jeunes filles ou... Ah oui, c'est la commission des affaires féminines de l'USN hmm. en collaboration avec la commission des affaires féminines de l'UNUN. C'est en collaboration, on a formé ces 60 jeunes filles leaders. Ok, ce sont des étudiantes uniquement ou bien il y a des, scolaires Oui, euh? il y a des scolaires aussi. Parce que l'USN, c'est au-delà des étudiants aussi. Il y a des scolaires qui sont en, classe de terminale et primaire, et d'autres, c'est des étudiantes. Ok, à part euh, cette activité de formation, euh, est-ce qu'il y a d'autres activités que vous faites pour, Oui, on euh, fait des conférences, panel panels mhm. sur, sur ces leaderships. Moi, je tendance pratiquement, c'est toujours le thème qu'on m'attribue pour faire des, une conférence panel. Mhm. Donc, on fait ces conférences et on fait des, des, des, des, débats à cercle restreint mhm. au niveau des toits de nos bâtiments hmm. sur ces questions-là. Est-ce que vous avez euh, peut-être quelqu'un ou disons quelqu'une qui vous inspire davantage pour être euh, une fille, euh, une jeune fille leader Bon. Vous inspirez de, qui par exemple Moi, moi, moi j'ai beaucoup, j'ai plusieurs idoles que je m'inspire d'elles. La première, c'est ma grand-mère. Elle n'a jamais été à l'école, mais elle a un raisonnement des personnes qui, qui, qui, qui voient loin, en fait. Si je suis là où je suis dans le, leadership, c'est grâce à elle. Elle m'a toujours encouragée, épaulée à aller au-delà de mes attentes. En dehors d'elle, euh, il y a plusieurs filles et femmes qui m'ont inspirée, par exemple à ma venue à l'université. Il y a les Loquettes, les Karou et les Aïcha Je me suis inspirée de ces camarades filles-là parce que je les ai trouvées dans le système syndical et ça m'a inspirée à rentrer dedans. Ok, d'accord. Rabi, dites-nous, est-ce que vous vous sentez obligé de faire plus d'efforts que les garçons pour, pour, vous, pour vous sentir à votre place Reprends un peu la question. Genre, est-ce que vous faites plus d'efforts pour vous sentir à votre place non. Euh, moi, partout où tu me vois, sache que je mérite la place. Et je fais en sorte de mériter cette place-là. Parce qu'il n'y a que le travail qui nous différencie. Tu travailles bien, tu es focus sur tes objectifs, tu respectes tout le monde, tu es patiente avec tout le monde et que tu acceptes l'idée de l'autre, même si vous avez un, euh, un différent, que ce soit du point de vue idéologique ou syndical ou politique. Il faut juste respecter le choix de l'autre et te faire comprendre à travers tes idées. Tu seras obligé d'être accepté. Moi, entre les garçons, je prends ces noms en témoin. Euh, c'est mon leadership et mon engagement qui me différencient d'eux. Et je mérite ma place parmi ces garçons-là. Merci infiniment, Boubacar Suleiman Rabi, hein, de nous avoir honoré de votre présence au studio Kalangou et d'avoir répondu à toutes nos questions. Excellente journée à vous, hein, tout en espérant hein, que vous, nous allons encore une fois de plus nous retrouver, n'est-ce pas, euh, sur ce plateau, afin de discuter euh, d'autres sujets. Merci beaucoup pour l'invitation. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, nous poursuivons cette émission Le Niger sur Kalangou, cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire. Et nous sommes vendredi, on va parler de la culture. Oui, hein, nous découvrirons l'art de compter et de chanter avec euh, la conteuse Sahia Albarka Chibaou. Comme vous, comme vous en doutez, Ewi eh Sahia est la fille du fée Albarka Chibaou, l'une de ses enfants qui lui a les pas. Comme son défunt père, elle fait des contes et des chants. Grâce à cette activité, les autorités de la ville de Tawa ont fait appel à elle lors des activités de la fête tournante de la République Tawa Sokola et même dans certaines activités culturelles. Idriss Adamou s'est entretenu avec elle sur son métier. On l'écoute. mace ta saki baki da ruwa mara maratan mace ta saki baki da ruwa sai ya ambarkaci bau mai sana'a gatana shi ya gadi gatana gaba da uban shi ni ko zuni gada gare shi yanzu kamar kin share shekara nawa kina gabatar da irin wannan abin sana'a gado ta mahaifin lalle shekara dai da an kai sakolar ga shekara tana sarki ya hirkashe mu tun da dai da tsoho ya mutu sai mun ka bar wancan batu ko maza dai sa'ana akwai sarwasu ba su yi ba bale mu mata mu yi sai mun ka bar wancan magana mun ka kashe ta saboda fa Allah turu ma ayyar sun doke shi sun kashe sai da sakola na sarki ya iza takarda gidan mu yace ana dan irin gidan mai gatana ne rasa wanda ni kai ni gigice in kai ma in kai gabsu ni ko ni dai ta akwai akwai kamna mu wata mace tana nan tare da mu da ya uban mu ta to sa'annan ni tashi da daren nan da ni ga takarda ta ni gigice zuciya ga ta waka mata fashi na ji abin nan da yayi min daɗi tunda an bi do gaban mu sa'annan ni tashi ni iza yara so amso min turu te ga zamu ya ɗauki ke shi ya tarshi gida ne ya yar sun ka kashe sa'annan da an ka zaka an ka ce min babu turu wallahi da daren nan nudum kashi turu da daren nan nudum kashi ni bayar kudi 300 uku fatu mu gidan mai shemana akwai fata daya akwai ke kasassa an ka banne daya ni sun kai min turu da ita wallahi da dayi ne ni zo da shi gidan sarki da dayi ne sako algade ga ta dai da an kai ni da ba amshi lokacin da an ka yi ta ba to lokacin nan dai ake tata kamar cikin zari'ar ta koyar da ɗiyan shi marigayi albarkaci ba mm. kun kai ku guda nawa kan maza da mata maza su wajen su shidda suke mu ko mata waɗance ne da uwarsu akwai mace uku tare da uwarsu ni ko nan ga mu hudu muke da uwanmu mu hudu muke da uwanmu su a mutum bakwai wacce ne ya ita ko mata guda ita ko ita ko diyanta uku ko ita uku ita ta to atta baya to ta da bai gari yan mutu tare da ita diyanta buyu to mu mata dai mun kwarare wajen mu goma sha biyu kamar yanzu da shike kin rungumi wannan sana'ar tashi mm. na cewa kamar babu wanda ya doka na ke doka yalla ke rayuwa tare da shi shi kina biya ta lokacin da ya zama to yake da rayuwa shi na gabatar da wannan ko kuma dai kallo na kuka nan gayi kin rungume gado dole na gado ɗaya sani doka ba mu biya tai don da ana ma muna yara ba mu biya tai saboda Allah amma dai da shike gado da an ka taɓo mu rai na sai bai yi daɗi ba ni ga babu mai yi kuma an bi doka gaban mu dole na sai i sai ni doka a o sai ni doka dole na ita wannan sana'a da kuka nan ga yanzu wata kila tana ci da mai kwarai ko taka ci sa mai ita ko yanzu da nake nan ga ko yanzu da nake nan ga ina zo gidan shakala in biki an kai an san ko diyawa nake sai an bani an ba a ban shi ka a bani ɗari to ba na ci bisa gare ta ba wallahi mu ga idanunsu na ɗaya abu mu gani amma Allah shi saka da alheri kuma eh an ce wani abu na a hita in taro sarki ya ce in bikin kwarai ni gani in tahi in mu arme na kwarai ni gani in tahi in shiga in taro aka yi tahiya ne kai da shi turun ga kuma samuwa ne kai wanda duk ya sa uban nan bani shi kai akwai wata shaida wanda aka yi muku a nan masarauta wadda ke baku damar tafiya wuri wuri har a san da ku wani. ne a ah, akwai wata shaida tun da dai wanda duk ya sa da kanada an ka saka mai wa gagala da kanada an ka saka mai ita da an ka tai da shi ta wurin ga tana cikin duwatsu cikin ramu sannan an ka saka musu ita ta ya gane ta ga ta shi na gashi na abba jinan mm. baba to yalla watakila cikin yanku ko jikokinku yalla a samu wanda zai ɗauka gado ko da dai lokaci ya zo? To ko lalle in so a gani kamar yanzu da nika shiga ya ga ni ya samo wani abu to ko shi in kai na ya huri sai shi shiga. don da soke na kuma gado na zuwa akai. Karshe mine ne ke matsala ko ko cikas a cikin irin wannan tahiyar kan bangaren magabata da sauran nasu hukuma suna dan wayoyo ko wata rana ana dan samun wani kayan masu. To lalle dai kan ba su wayoyo mu amma da yanzu dai da muka shiga haka nan dai mai yabu ta ya ba mu sai mu amsa lalle da kwari na sun ka ba mu wasu yan daloli tun tsohon mu na sabuwar rasuwa wanda ya shuɗe shi kenan kuma babu inda ba su aza mu na shi ba sun jera shi shi na dijan dijan har waje sun ka gina mu na shi can ga hayya wani gari hayya wani gari shina can su bui an ka yan soke to amma dai wancan dai abubuwa dai na hituwa dai na tasu ba su rika san na ba amma dai yanzu da sun ka bi gaban mu in mun inda suke suna ba mu Voilà, cher auditeurs, c'était là la partie euh, de notre émission consacrée à la culture. C'est l'heure pour nous à présent de découvrir la rubrique rose, n'est-ce pas et eh oui, c'est nos ce matin de la rubrique rose jusqu'au bout des ongles, nos chroniqueuses nous parlent de l'impact de l'utilisation des produits cosmétiques, comme certains diodorants qui peuvent être nocifs pour la santé et pour être à la base de certaines maladies. Les filles abordent également des astuces avec des produits naturels pour adoucir les cheveux. En tout cas, c'est un bon remède pour celles qui ont des cheveux difficiles à coiffer. On écoute. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Amis jeunes, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans cette rubrique rose. Dans l'espace santé et bien-être, on parle du déodorant et de ses dangers pour la peau. Et dans l'espace beauté, on découvre des démêlants naturels pour cheveux nappis. Et enfin, avec moi Bibi, des astuces pour l'éclat de nos fringues blancs. Bonsoir les filles, nous allons parler des produits cosmétiques qui peuvent être nocifs pour la santé, entre autres les déodorants. Depuis un certain temps déjà, on peut lire et un peu partout que le déodorant représenterait un véritable danger pour la santé. En effet, deux de ses composants, les parabènes et les d'aluminium, s'avèrent ne pas être totalement inoffensifs rendant le danger du déodorant bien réel. Soupçonné de favoriser le cancer du sein, déodorants et antitranspirants ont fait objet de multiples études. La dernière en date, une étude suisse publiée dans l'International Journal of Molecular Science, confirme le potentiel cancérigène des sels d'aluminium contenus dans certains cosmétiques. Pour en arriver à cette conclusion, un groupe de chercheurs du Centre d'oncologie et d'hématologie de la clinique des Gangrette de l'Université d'Oxford a analysé in vitro des cellules de hamster après avoir étudié le mécanisme d'action de l'aluminium dans la transformation cellulaire, les chercheurs ont conclu que non seulement le métal pénètre dans les cellules, mais favorise l'apparition de cancers, notamment les cancers du sein. Coucou les filles, place à l'astuce beauté à présent. Si vous êtes nappy ou si vous avez des cheveux épais, difficiles à coiffer, aujourd'hui la rubrique rose a pensé à vous. Ce que je vais vous présenter ce soir, mes chéris, c'est un soin qui va sûrement adoucir vos cheveux. C'est un démêlant naturel à base de maïzena, l'amidon de maïs. Dans une casserole, on ajoute 5 cuillères à soupe de maïzena et 5 bols d'eau on mélange bien le tout en prenant le soin de casser les grumeaux. Ensuite, on pose la casserole au feu tout en remuant pour ne pas cramer le fond de la marmite. Donc jusqu'à l'obtention d'une pâte qui n'est ni trop épaisse ni trop liquide. Et cela peut vous prendre 20 à 25 minutes. Après, vous retirez la casserole du feu et vous la laissez refroidir. On filtre le mélange et on l'applique directement sur les cheveux. On laisse reposer pendant 5 à deux minutes tout en massant vos cheveux. Et pour finir, il faut rincer abondamment à l'eau. Vous allez adorer le résultat. En bonus, vous pouvez faire des nattes qu'on appelle silly C'est aussi très pratique pour lisser et démêler les cheveux épais. Et ce sera tout pour l'espace beauté d'aujourd'hui. Passons à présent à l'espace entretien et décoration d'intérieur. Amis jeunes, avec cette poussière dans l'air et surtout avec les années, le linge blanc a tendance à jaunir. Vous ne voulez pas vous ruiner à coups de produits soi-disant blanchissants, ni jeter votre t-shirt bien aimé, c'est bien normal. Et avec les astuces que nous vous proposons, votre linge retrouvera bientôt tout son éclat. Astuce numéro 1, le traditionnel savon de Marseille. Si c'est un allié de poids dans le ménage écologique, le savon de Marseille fait aussi des miracles pour blanchir le linge grâce à ses propriétés. Vous pouvez donc utiliser une lessive qui en contient ou en ajouter un peu pour rendre tout son éclat à votre linge. Le citron. Oui, le citron possède également des actions blanchissantes et il peut vous aider à enlever les taches jaunes sur vos draps ou t-shirts. Pour cela, mettez de l'eau chaude dans une bassine, mélangez avec une grosse quantité de citron, déposez votre linge dedans et laissez-le reposer quelques heures ou toute la nuit. Lavez ensuite normalement. Le vinaigre blanc qu'on trouve facilement dans les commerces, vous pouvez également utiliser le vinaigre blanc sur votre linge. Pour cela, mettez une demi-tasse de vinaigre blanc avec une tasse de lessive. Dans le cas où vous souhaiterez ne traiter que certaines parties du vêtement, comme les aisselles, vous pouvez vaporiser le vinaigre sur la zone concernée uniquement. Enfin, le bicarbonate de soude. On ne présente plus le bicarbonate de soude et ses nombreux bienfaits. S'il fait briller les robinets, enlève les taches et blanchit les dents, il aide aussi à rendre toute sa blancheur à votre linge fatigué. Vous n'aurez qu'à ajouter une demi-tasse dans votre lessive habituelle. Lavez ensuite votre linge comme d'habitude et si la tâche est tenace, faites une pâte avec de l'eau, mettez-la sur le vêtement abîmé et laissez agir un peu avant de laver. C'est tout pour aujourd'hui, amis euh, de la rubrique rose on se dit à la semaine prochaine. C'était un plaisir de partager vraiment ces instants avec vous. On se dit à la semaine prochaine pour encore plus de bons plans sur la rubrique rose. Bye bye. voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était la rubrique rose, tout en espérant que vous avez bien aimé. Sinon, il est temps pour nous de nous rendre à Maradi. Oui, euh, pour euh, le reportage régional qui nous conduit directement dans la commune de Giratawa pour parler de commerce. Et eh oui, c'est nous. Le commerce est une activité qui fait partie de la culture dans la région des Maradi. Grains et petits s'y intéressent. Et pour les femmes, c'est un moyen de sauto financièrement et contribuer à la lutte contre la pauvreté dans leur foyer. Mohamed Maman traite du sujet dans ce reportage réalisé à Giratawa. Les femmes de Maradi exercent différentes activités pour s'affranchir économiquement. En effet, pour être autonomes, elles sont aujourd'hui nombreuses celles qui font le commerce. Acheter et vendre des produits dans le but de gagner un bénéfice et subvenir à leurs besoins de femmes et le quotidien de beaucoup d'entre elles. À l'initiative des femmes urbaines, celles des campagnes aussi se battent pour combattre l'oisiveté. Madame Zainabou du village de Giratawa est une parfaite illustration. Elle excelle dans le commerce de l'igname et du bois. Son souci premier en faisant cette activité et d'être libre économiquement afin de soulager son mari dans les dépenses de la famille. En réalité, je suis dans le commerce de l'igname et du bois. Mais seulement, ça ne m'empêche pas de faire celui du riz, de l'huile et tout autre produit qui peut me rapporter un peu. Nos principaux besoins sont bien sûr manger, s'habiller convenablement, contribuer aux différents mariages des parents, amis et connaissances et aider les maris. Son mari, qu'elle qualifie de moderne, ne l'empêche pas de faire ce commerce. C'est qui lui donne la force et le courage, selon elle, de braver tous les obstacles pour exercer son activité. Madame Zainabou ma fierté c'est que je peux exercer ce commerce par même si c'est de quitter pour partir dans un autre pays et revenir et mon mari ne m'empêche pas de faire cette activité et parfois mes enfants m'aident aussi je me bats chaque jour pour avoir mon propre argent afin de ne pas tendre la main car tout celui qui attend qu'on lui donne est foutu. Nous espérons seulement que le bon Dieu nous éloigne des difficultés. En effet, la plupart des maris du village de Giratawa sont compréhensifs par rapport aux activités génératives de revenus qu'entreprennent les femmes. Pour Hassan, représentant du chef du village, si les femmes continuent de cette voie, c'est qu'elles s'y retrouvent. Et eh, En vérité, elles sont à l'aise à 100% en faisant cette activité de commerce parce que si elles ne s'y retrouvent pas, elles l'auraient laissé tomber. Tout ce qu'on peut dire, c'est de souhaiter que le Tout-Puissant les aide davantage pour que leur activité progresse. En ce qui nous concerne, nous les maris, nous leur apportons tout notre soutien pour qu'elles aient le courage de continuer l'activité. Le commerce exercé par les femmes rurales est un moyen efficace pour lutter contre la pauvreté des ménages. Et voilà, on nous signale que Mohamed Maman est au bout du fil. Bonjour Mohamed. Bonjour. Bonjour Mohamed. Bonjour, vous allez bien Ça va bien et vous Super, je vais très bien. Mohamed, tu as écouté ton reportage avec nous Oui, je viens de l'écouter. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à traiter ce sujet Alors, vous savez, nous sommes à Maradi. Maradi, le commerce, c'est comme une tradition. Et il est extrêmement important aujourd'hui de, montrer euh, les efforts que les femmes sont en train de faire pour euh, se prendre en charge, mais également prendre en charge leur, euh, foyer. Et il est également important de noter qu'aujourd'hui, les hommes sont en train de comprendre que les, les activités économiques des femmes est un grand soulagement aussi pour eux. Donc c'est vraiment pour cela que j'ai euh, réalisé ce reportage. Non seulement montrer les efforts que les femmes font, mhm. mais également montrer que les femmes euh, apportent beaucoup plus dans, la gestion du foyer. Ok Mohamed, est-ce que ça a été hein, compliqué d'avoir euh, des intervenants compliqué non, parce que quand je suis arrivé à Giratawa, Giratawa c'est à une dizaine de kilomètres de Maradi, hmm. j'ai été directement en contact avec le chef de canton qui m'a mis en contact avec les personnes euh, ressources, ces personnes qui sont capables de me parler et ça n'a pas été vraiment compliqué. Hmm. Alors dites-nous pourquoi selon toi tout le monde euh, s'intéresse euh, au commerce, surtout les filles et les femmes Maradi, ah, ça a été toujours comme ça. La, jeune fille, dès son bas âge, on lui apprend à, à, commercer. On lui apprend à prendre un truc de 100 francs pour vendre à 150, pour avoir un bénéfice de 25 ou de 50. En fait, c'est pour la préparer à, mieux gérer son foyer. Euh, c'est vrai, à un moment donné, ce commerce a impacté sur la scolarisation des jeunes filles, mais aujourd'hui, euh, les, parents ont compris qu'il faudra aussi laisser à la jeune fille d'aller à l'école. Euh, à, part cela, le commerce est un moyen pour ces femmes de prendre en charge tout ce qui est euh, activité de la maison, mais également des voisins, des parents, amis, connaissances. Parce que ici à Maradi, tout ce qui est activité sociale est énormément cher. Merci, merci, merci infiniment, Mohamed. Nous, passons également nos salutations à tous nos auditeurs hein, qui nous écoutent depuis Maradi. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur kalango est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalango. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Place à présent au sport avec notre chroniqueur Gourouza Karim Hasmi qui vient d'arriver. Bonjour Gourouza. Euh, bonjour Myriam. Bah, Alors, je vais bien. Ah, Alors, a dit foot à l'international. Depuis quelques jours, l'affaire de Sadio Mané fait polémique en Allemagne. De quoi s'agit-il Oui, Myriam, l'attaquant sénégalais de Bayern a perdu ses nerfs après des tensions avec son coéquipier Laure Sani sur le terrain de Manchester City. Un dérapage euh, qui a poussé d'ailleurs le Bayern à prendre des sanctions claires à l'international sénégalais de Bayern. Sadio Mané également mis à l'écart du groupe, c'est-à-dire qu'il ne jouera pas le prochain match de Bayern contre Hoffman. Et Mané va aussi euh, devoir régler une amende au club. Restons toujours au Sénégal, Gourouza, hein, pour euh, parler cette fois-ci euh, de l'équipe nationale féminine de football. Oui, sinon, les Lions se sont en fait encore battre par les Black Queens du Ghana en match amical sur le score d'un but à zéro. Ce ceux qui totalisent deux défaites successives, deux matchs, deux défaites. Pourtant, l'équipe féminine du Sénégal a longtemps tenu bon en face au Ghana, euh, croyant arracher le nul. Mais malheureusement, les Lions ont fini par perdre 1-0 face au Ghana à Accra Sport Stadium trois jours après leur défaite 3-0 face au même Black Kings. Sur le continent, le foot scolaire est à l'honneur. Ah oui, euh, le premier championnat africain de foot scolaire a débuté le mercredi passé au King Zeltin Stadium de Durban en Afrique du Sud. Euh, ce regroupement des scolaires africains a été d'ailleurs organisé par, euh, pour la première fois par la CAF, la Confédération africaine de football. L'Algérie a perdu les quatre matchs, ces quatre matchs qu'elle a joués face à Salima Sigandri de euh, Malawi euh, sur le score de 0-2, défaite 0-3 face à Shank Inc. School d'Afrique du Sud, c'est en anglais, il faut me pardonner, 1-3 face au Béninois de CG Sainte-Rita. Voilà. Comment, hein? alors Gourza comment expliquer cette défaite des scolaires algériens à cette compétition oui, sinon, la délégation algérienne est d'ailleurs venue euh, tardivement en Afrique du Sud à cause des problèmes administratifs relatifs à l'obtention euh, de euh, visas. Secondo, les jeunes Algériens étaient obligés de jouer quatre matchs en un seul jour, croyant avoir une chance d'arracher ne serait-ce qu'une victoire, ce qui n'a pas été le cas. À l'issue de la phase de poule, quatre formations ont obtenu leur billet pour les demi-finales qui sont le CS Ben Sikousila de la Guinée, Seclan School d'Afrique du Sud, CEG Sainte Rita du Bénin et Salima Scandri School de Malanville de Malawi. Notons qu'il a eu deux forfaits toujours pour des problèmes de visa. Il s'agit de complexe scolaire Horizon de Bukavu en République démocratique du Congo et du Royal School d'Ouganda. Merci Gourouza pour euh, toutes ces informations sportives. Après ça, passons au portrait du jour. Qui est à l'honneur ce matin Selon la star du jour, c'est Mohamed Salah. Il est artisan, exerce ce métier depuis les années 80 à Niamey. C'est un héritage de ses parents qui continue de perpétuer en faisant de cet artisanat son activité principale. Nos reporters Farid Bourema et Asman Aboubakar l'ont rencontré à Bukweki, un des quartiers de la capitale. Écoutons leur entretien. guyo katrovendeenaysanti kufuru santir lemishidar narti santriwanaw inese katroventiwan binnaru kutunu kufuru mali kufuru burkina artisanay bo aydinangu kul ay samakani ndamati niger iye kaguru ndey funne mali niger alhamdulillah irgaga wa kan mura tugunu nganu agate irbabay woni gawana woni gate igaga halso zakarongogoyowote gomni fonoarondugoyowora iddiya tari igo garaseno garaso kambogoy gatinga ngaro wane irgude waga hancin kirgaba belle si baha kalgo hancin imi jinda kakobi ni go famala iri cece hauji irga dai irga ce wa irga hagu yake je ban kare hen irmati wadda a wasu rise alhamdulillah kan bugai wufu wufu na rinti ki inai hai a duniya ba ai ba bai goki ga te gumbu aji kaura soka bunduwana ta sa bunduwana ya ke ne a sai wuri in ka te igoro kirkane irkoyin ne ya yi furara لا شيء وان نوري قاتي كان يرى كوي بوي باني بتي باني وكان الموي هيدي يالي عند تلبي يو وانا دي كي غنا يو وين يرجعتي ومكسو كان بوتي نيغو ني ودينو نكو اغنا ماتي ولا بنيغ فتنو بوغين غون كان كومان غا ولا نيغ تندو سوم كليان سينو اما اي غون كارد فيزيت il est donné pour ndeyna no baray se han fo ayga du bor fu kanga mai ke ai go tallan baray hakki jare hakki jare mana ga jaray sun da no <laughs> ni ba wala tadi wona ndeyna te binan di ai ga ka bar foke filan filana gonda hayfo nda ne asinda da ray go fenda nda da ga wa mediya ga diya so wani ka karango te ifono wani. wani a karayin da habu sun wani gace su kagoro kagoro c'est puf ça c'est le pouf c'est nos bouteilles kai bi fo da goki a nasa kai wanda puf ya nimte pouf fo jirma gina ake wani aga te samen fo sande jine kan mati borfo wanno mati komadno nimma goro ni mi hansi fi sabilillahi urkoy maga ndabora faga a agburi akana gada adi ay go barera kan ay saba même tibi les choses là ay wo saba avance mu ci hakan ni gaba normal ni mu saba ni mu koyi ay ga han sai mu wase dai na han sai a buri ni mi dai dan dia amara buri ni mu fenda ya ke ne go saba avance go ga baro la kalu sombo go ga bora ma hasarano gogo fo dumno ga gina wo dayniga wal kangu komande ay sinda bore kanu komande ay sinda haka sai sai ay sinda ay bumbono dai ko nan go ne ay makanda je ay ko sambo jine sande mata kan ne diya ino wanda bora diya kana su ikhlas Voilà, merci à Farid Bourema et Assouman Aboubakar pour ce portrait. Maintenant, il est l'heure pour nous de découvrir une astuce pour bien préparer vos plats. Sur les marchés, on retrouve différentes huiles de cuisson, mais toutes ne sont pas bonnes pour la santé selon le nutritionniste Bello Abdrazak. Certaines maladies euh, cardiovasculaires seraient causées par euh, la consommation excessive de ces huiles. Alors, comment choisir la bonne huile pour cuisiner Réponse dans cet élément proposé par Rahilatou Soumana. Le principal élément qu'on cherche dans l'huile, c'est ce qu'on appelle les acides gras. Il y a ce qu'on appelle les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Ce qui fait la qualité d'une huile, c'est sa teneur en acides gras insaturés. Parmi ces acides gras insaturés, il y a deux qui sont particulièrement Recherché communément appelé oméga 3, oméga 6. Important pour le développement du cerveau, important pour la femme enceinte. Ces éléments sont importants pour nous fournir de l'énergie, également pour la... Un petit problème technique, la qualité sonore n'est pas du tout euh, bonne. Chers auditeurs, très malheureusement pour vous, euh, Inch'Allah, pour euh, le prochain, vous aurez en tout cas euh, l'occasion de réécouter euh, cette rubrique. Nous continuons, chers auditeurs, cette fois-ci avec les femmes du studio Kalangu pour le loti, n'est-ce pas tout à fait, sinon le loti évoque aujourd'hui le comportement de certains maris à l'égard de leurs épouses. Il s'agit bien sûr de maris pingres avares qui ne donnent pas un sou à leurs épouses. Va savoir pourquoi. Il <laughs> n'y a pas de souci, on écoute. Fanta Shamsou Samira Rouhafi nous en disent plus. Kiji, Matsukiji, Kiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Kiji. Assalamu alaikum kaunata. Wa alaikum salam yaya, sannin ki da zuwa. Yauwa, ya kike, yaya a ganki da mai gidanki. Alhamdulillah yaya mun gode wa Allah. To madalla, kin san abin da ya sa na zo gidanki yau. Dan in sanar da ke ne yar uwar tanta mu Fatima. Ta samu karuwa. Kenan ya kamata ki shirya mu tai mu gani ta da mu mata barka. Kuma ranar biki zan zo da kai na ɗauke ki dan mu tai tare. Saboda duk dangi ana kuka da ke na cewa baki son zuwa wurin sabgogi. Hmm, yaya, kin san ni ba ta hiya sabgar bane ban su. bani iyawa ne shi yasa ban gane ba kamar yaya baki iyawa mijinki ne ke hana ki zuwa koya a'a ba wannan ne ba to mine ne matsala ke dai yaya a bar kaza cikin gashinta wace irin matsala ce za ta iya ki da baki iya gaya mini ni da ayyaye ki sai ki ce ki boye mini yaya kakki manta a lokacin aure na kun sha jan kunne na akan cewa in yi hakuri in ruha mu kaina asiri a cikin kowane irin hali haka ne amma akwai wani hali da dole sai ke yi magana ke dai yaya yanzu ki haƙuri na yi son in yi shiru da bakina in yi ta ci gaba da haƙurin to shi kenan ba ni matsa miki amma ki san da cewa ina nan zamna sai mijinki ya to ya gaya mini ko ne a a a yaya ba sai kin yi haka ba don Allah to yi magana mana to na ji yanzu dai in ce tun yaushe kika san ina cikin gidan aure shekara bakwai in ban mance ba don me kika tambaya ta ina zuwa ke dai to yanzu kuma tun yaushe kika san na rasa aikina Shekara hudu yanzu ko? To sai tambaya ta ta ƙarshe. Tun yaushe kuka gani bani nan ga tahiya bukukuwa na cikin dangi. Tun da kika rasa aikin ki, ba ni bani nan ga ganewa. Me kike son ki kwatanta mini ne? To di ba ki ga yaya Yanzu shekara bakwai kenan da nake gidan aure. Mijina biye bai taba ɗauka ya bani ba. Mutumin nan yaya bai bani ma kuɗin mai. Bale in ka miki zancen tuhwa ko kuma wani kuɗin taksi. Ke bar ma in gaya miki. Dala ɗari tashi ka bani kowace sahiya muyi kayan miya da ita duk abin da kiga ina yi yaya cikin albashi na nake yin shi yanzu kuma ba ni da aiki ya zan yi in ba in koma ga Allah ba mina ban gane ba amma wasa kike yi mijinki musulmi ne kuwa hmm, sosai ma yaya yana daga cikin waɗanda har misalin su ake badawa a fagen addini Allah sarki kenan to bai san da cewa ba mace namiji ne ya kamata ya ci data ya bata muhalli ya yi mata tuwa kuma ya kula da ita ai ya sani sarai amma babu kalmar da ta birge shi kamar ni ba kuɗi gare ni ba amma waje yana dai in dararo. kauna ta bari ba a wasa da irin wannan abu har da sheri kina mishi sheri. To kin ga me yasa ni so in shiru da baki na ko dan na san ke da kanki yayata ba yarda zaki da ni ba. To ina da wani na na ba ma labarin nan. Saurara ke ji ba wai ban yarda da ke bane kawai abin ne in na tsaya na yi nazarin shi sai in gan wai ba mijinki bane ba iya yi haka nan bawon Allah irin kirkin shi. Hmm. amma kin gani ko aikin shi kenan ke yaya akwai ranakun da hatta ɗan sabilin nan na wanka ba mu da shi ke yanzu zancen da nake miki ma irin bashin da aka yi na Allah masani duk abin da ni tara na kashe shi cikin abinci yanzu sai ni ce cin bashi nan cin bashi can a'a ga bar gaya min haka duk wannan lokacin kina cikin wannan matsala kuma ki rike ta makanki baki gaya ma kowa ba baki gaya ma waɗanda ke iya yin wani abu ba wallahi gani nake kowa ba zai yarda ba idan na kai wannan kuka amma yanzu da ki taho har na gaya miki har na ji saka yau ki tahi ma za ni in sanar da magabata na saboda bani iyawa yaya na gaji yanzu duka na fahimci abin da ya sa kika rame ki yi duhu ha ba ji huska ki hmm, zancen kike so yaya matsaloli ne suna nan sun cinye zuciyata ai kuskuren ki shine da ki shigo cikin wannan halin shawarar da zan baki kin riga kin ba kanki ita ita ce ki ta ki gaya ma magabata tsohi su ɗai ne za su samu su shawo kan wannan matsalar. Ai haka zani ya yi yanzu yanzu nan, amma ko za ki iya ramta min ɗan kuɗin taksi? Hmm, babu matsala, am shiga ka goma, tashi in ta yin ke. To yaya, na gode sosai, Allah biya ki. Amin. Voilà, c'était là le loti. Hein. Retrouvons cette fois-ci notre collègue Alamine Ouachar. Il est journaliste traducteur en langue tamashek. Il va nous expliquer le mot pitié en tamashek. Bonjour Alamine. Bonjour Seno, bonjour Mariam. Bonjour Alamine. je vais expliquer ça d'abord en français. Euh, la pitié est définie comme avoir la compassion pour quelqu'un, être sensible aux souffrances ou à la faiblesse d'autrui à traiter une personne avec indigence particulière. Donc la pitié est un sentiment naturel qui modère chez chacun de nous l'activité de l'amour de soi-même. Son contraire est tout simplement l'indifférence, l'insensibilité. C'est là que vous entendez quelqu'un qualifié de sans cœur, sans pitié. Donc je vais entendre ma euh, tahanin. بيتشي المعنى ان التهانين تهانين تقلا فنر تنقوتنين إموسنا تهون ويدن إيقرا وراتيا مدى تهون نغاس تغل حالة تيها مدى غويدن لكوكن تهون نغاس إموس تهانين تقلا سارة تنقوتنين وهذا انتدا المعنى ان التقغرت انتك ممان سولنك تسيك نغاسرت تويقرا ونويدن دين إكميك أرتوين دستاون تهانن يبان تهانن دا غيني si magnas atinyaqa wedin igro tarategis wurke zek mawin artwen ibantani dastawn itawnu da awaliyan awedin wa wilnet wurizle di nagas taqadi wedin wurne lul wurilatak mamma tanim mertalamin ça veut dire merci. Merci à la mine pour ces éclaircissements. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Et justement, chers auditeurs, l'antenne est à vous. Ni suna na Dauda Mai Daji ina nan eh, Departament Kinci Rozerin cikin jihar Agadas. Kalangu sai in ce maka radio ce ta karkara ta ire-iren mu talaka mutanen daji. Kalangu tana waye mai jama'a kai tana sensibilization tana ba mu wani labari wanda ma sai wajen ta muke isa mushi Kenan mu a wajen mu radio ce mai mahimmanci kwarai-kwarai. Abu guda ne dai zan ce maka kalangu muke so gare Ya kamata ta kara ƙarfi. Fisanskinta inda karkara ma duka kowa da kowa ya kamata ya rika kama suke radio ce ta mutanen karkara kenan ya kamata a ce yan karkara suna kama nan ɗaya ne na gani shirye-shiryen su kaga akwai labarurka wannan da suke yi duka da kowane halshe suna yin labarurka kenan kowa sun sa shi cikin tsari don haka nan ne muka ce wannan kalangumu tana birge mu bisa ma wannan labari labari duka kuma tana tabo labari na ko ina. kama kaga tana kusan mutum da yanzu ga kai kamar representant kenan kalangu tana kusan talakawa ko ina. kenan wannan abun ya yi muna daɗi bisa harka ɗaukar kalangu. Shiri na studio kalangu a yanzu dai wanda muke shurara a bisa airtel a lamba 325 shiri wanda suka mashi take rayuwa na yau da kullum lalle wannan taken yana da mahimmanci tunda ya shahi kiwon lahiyan dabbobi da al'umma da labaru da bayanai kan noma da kiwo kasuwanci na matasa da jagoranci kuma da daidaita jinsi kuma da wasannu da nishaɗi da harakan fadodi da sauransu babban guduma da nake so ko da akwai kenan a faɗaɗa kamar shirin ajiye makaranta na karatu na yara da makaranta na zamani kamar lakwal kamar makarantar allo da sauransu kuma abin da ya shafi tsatsauran ra'ayi kenan studio kalangu ta ba da himma a shiga karkara lungu zuwa saƙo a waye kan matasa a Chers auditeurs du studio Kalangu, c'est aussi et surtout la grande édition des 17h. Et justement, nous recevons Moussa Hassan. Bonjour Moussa. Bonjour Mariam. Alors, quels sont les grands titres de ce soir euh, Au menu de cet après-midi, le directeur départemental de l'environnement de Bilma nous expliquera cette opération de fixation des dunes qui a débuté dans le département pour lutter contre l'avancée du désert et surtout protéger les infrastructures et la végétation et les oasis aussi. À Maradi, depuis hier, Maradi a sa commission régionale de l'aménagement du territoire, ce qui rentre dans le cadre du renforcement du processus d'élaboration du schéma national de l'aménagement du territoire 2024-2054 et en partie magazine, nous allons découvrir le musée naturel de la commune rurale d'Ingal qui est destiné à la conservation du patrimoine paléontologique. Merci hein, infiniment. Nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur le Karangou. Vous étiez en compagnie euh, de moi-même, Ali Moukela Ousseni, alias Seno, et des Samira, Mariam, Mariam, <laughs> Mariam Adé. À la technique, euh, nous avons euh, notre grand frère euh, Mustapha Ayouba et à l'édition la grande dame Rahilatou.